ñun ay sénégalais ñun kenn ëppalé wuñu fi ñuy liggéey def suñu xaalis pourquoi ana ndeyu ñu xëy rek wara ñun perte lépp lu au nom de quoi melni ñun duñu ay sénégalais tout ça pourquoi parce qu'il y a une omerta au sommet de l'État et des institutions qui nous empêche de faire notre travail duñ ko nangu le climat social va s'en trouver problématique parce que nous wacc ci mbéd bi dinañ def savons ñun ay patron la ñu dañu andi won des conditions de travail mais ñoo ngi ñuy bëgg a suñu alal ne ñu dem leen tok prescrire ñu benn médicament le médicament du peuple muñ leen muñuñu suñu xaalis lañu ñu soxla. tey jii amna na ay sociétés yu fi nek yu gëna faible wari fouf en terme d'emploi emploi bi ñu amee problème dañ leen assister l'état est informé l'état est trop informé li xew yëpp xam na ko mais est ce que dañuy bàyyi nag moom parce que moom deful lu mu war a def parce que comme nous avons dit, nous sommes sourd mouillés et aveugle suñu la def on a tout dit on a tout fait ils sont restés à fond. on a écrit au ministère des finances ils nous ont reçu plusieurs fois le le problème bi ministère du commerce le ñëpp les gens nous ont laissé Taïdi, la situation a périclité Soit demain au 4C les gens sont là-bas ils passent la nuit pour prendre leur argent sur les mains à Touba, les gens sont arrêtés. Les populations souffrent parce que le Wari est devenu partie intégrante du quotidien des Sénégalais. Le transfert cache to cache obéit à des exigences, à des, à, à des urgences. une ordonnance de gis naa qui nous rek ku depuis l'extérieur mu wari a jënd ay ordonnance amul fu mu jëlee xaalisam su malade boobu c'est l'État qui est responsable c'est Wari qui est responsable il faut se dire les choses comme telles. Nous, on n'a rien fait. Nous sommes toujours disposés à faire notre travail comme cela se doit. Mais on n'est plus dans les conditions de le faire. Parce que nous, marchandises, nous sommes khalis. Nous sommes sommes Nous avons échange, nous yek. Nous avons fait iban Adem djeliko. Nous avons fait bob ci jot parce que nous sommes ñu nañ ko mënatuñ ci est-ce que c'est normal? Quelle fille du ko fi nangou? Donc nous attirons l'attention de l'État. Il faut que nous prenions en charge ce dossier-là. Si nous avons tirer à boulet sur nos opérateurs, aujourd'hui, nous pointons le doigt la BCAO e que nous traitons de machin. De Gaulle, quand nous sommes sur l'ONU, nous traitons de machin. Aujourd'hui, nous sommes l'État d'esprit. BCAO, nous sommes nan ngay nekkee institution des instruction des instructions, la war a demee mënoo pas appliquer banques yi lank ne duñ ko c'est pas possible dans quel état sommes-nous nous sommes prêts à écrire à l'UEMA pour dénoncer cela banque yi gënu dañ lay sax si ñun lañ la nous nga non man ma ba nga nga kayit ma ma compte man yow parce que nous la ngeen parce que da ngeen di fessal suñu agence qu'est-ce que cela veut dire non lay opérateur bi opérateur bi ça l'arrange Ben compte ñu def ko ben fallu job. xaalis bi di wacc ci comptam mu nek ay milliards au lieu moom mu jël commission bi mu mom bàyyi fa le fa parce que banque bi lolo doon rôlam mu bu xaalis bi dem yobbu ko fenen def ci yenen investissement ba ñun léegi gisatuñu suñu xaalis qui est fautif ñëpp fautif ba mu opérateur yi donc pour xamal c'est la situation est dangereuse le Wari nous soutenons pas le Wari en tant que structure nous voulons sauver ces milliers d'emplois qui se sont créés